dans un pays, quand l'inflation est maîtrisée, cela veut dire énormément de choses. Euh, pour ne pas revenir en arrière, parce que certains de mes collègues l'ont dit avant 2012, c'est vrai. loolu yu que nous avons mais comme am na loo xam ne nous je pense que si nous waxee li nga am 2012 ak dina wané lu et je pense que c'est ce mais dama bëggoon monsieur le ministre nous avons ñu que e-commerce le commerce en ligne en anglais e-commerce En français di commerce euh, en ligne par internet lan ce département di pour mën ko accompagner parce que nous avons dañu que dès que bi mi développement même étudiants ont des cartes ñi nga am ay carte bancaire ñi avons développement Tiki, ak yeneen ak aussi au niveau même de l'Internet, nous yu bëri yoo xamante ni maintenant par Facebook internet mais je pense que nous devons formaliser un programme qui accompagne le accompagner e-commerce et je pense que ça c'est important donc là je bëggoon laaj rek ce gouvernement ce département lan le prévoir pour l'au-l'eau. di saluer aussi li nga xamante millions yi pour financer l'acquisition de nouvelles machines décortiqueuses parce que quand on parle de fracas, ba y amul ay mesures d'accompagnement ci dans secteurs secteur, je pense que la nga xamante le président du en tout cas je voudrais vraiment vous encourager vous féliciter nga la représentation nationale vous la accompagner Ce n'est pas pas opposition pouvoir parce que même jii jàpp même ñi opposition malgré que souvent vous critiquer et c'est normal mais vous reconnaître que vous êtes lié. liggéey mais dans daanu dajul il y a des choses qui sont des na ça on n'en disconvient pas